Bye-bye. Auditrices et auditeurs, chers internautes, merci de nous choisir sur la fréquence modulaire, la 93.4. Merci également de nous suivre sur nos plateformes digitales, Génération FM, la radio de toutes les générations, dit-on. Nous sommes dans ce studio en émission spéciale. Aujourd'hui, avec des acteurs, euh, de véritables acteurs de développement, ils sont identifiés à travers justement la structure dénommée APIX SA qui organise les lundis et mardis 13 et 14 novembre 2023 ici à Giguinchor dans la région avec l'appui de la plateforme de l'investissement sud, un guichet mobile de promotion et de services aux entreprises pour apporter une réponse spécifique aux besoins du secteur privé euh, pour justement cette activité. Donc, euh, une émission est donc euh, organisée en collaboration justement avec la Radio Génération FM pour revenir un peu sur ces activités qui attendent le monde professionnel mais également le monde de l'entreprise. Ça sera dans la région de Jiguenchor avec plusieurs euh, opportunités, pour ne pas dire avec des milliers euh, d'opportunités qu'il faut saisir. Donc, euh, c'est un clin d'œil aux investisseurs de la région et donc à ceux qui, en tout cas, sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, entre autres. Pour en parler, donc, dans cette émission, nous sommes avec Pape Amar. Il est le responsable du marketing intérieur au sein de la PIX. Pape Amar, Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, merci, euh, cher ami Khalil. Euh, c'est une opportunité que vous nous offrez aujourd'hui euh, en tant qu'acteur du développement, mais aussi en tant qu'agent de l'APIX, l'agence de promotion des investissements et des grands travaux, avec mes collègues Bintou Diagne et Safir Diouf, mesdames Bintou Diagne et Safia Diouf, pour venir vous entretenir de ce que nous faisons, quelles sont nos missions et qu'est-ce qu'aujourd'hui l'APIX euh, à l'heure où le Sénégal est en train de changer de paradigme en termes de perspective économique, est en train de mettre en place au niveau des pôles territoires. Et Ziguinchor constitue quand même euh, une capitale euh, qui joue un rôle majeur dans ce processus. Et je pense que le nouveau siège que nous avons au niveau du quartier Escal le témoigne amplement. En tout cas, c'est un siège qui songe le visage de la ville de Ziguinchor de par justement la qualité, mais sa beauté, ça il faut le noter. En tout cas, merci euh, pour la disponibilité. Nous sommes également avec Safietou Diouf, elle est la chargée d'investissement à la plateforme d'investissement Zone Sud, ici à Giguinchor. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation, Safietou. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions de nous avoir donné l'occasion de pouvoir échanger avec la population de Ziguinchor sur euh, les services qu'offre la plateforme d'investissement de la zone sud à Ziguinchor. Merci beaucoup. Si le Sénégal prend la parité, à l'apex, les femmes leaders, justement, Jomine, Et c'est pourquoi ici, dans ce studio, vous avez vu, euh, il n'y a qu'un seul homme avec deux femmes. Heureusement que je suis là pour euh, créer l'équilibre. voilà. donc, l'autre dame dans ce studio, une Lyon également, Bintou Diagne elle est la coronatrice des plateformes de l'investissement au sein de la PIX. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, merci également de nous accorder vraiment cet euh, entretien, de permettre de nous communiquer un peu sur les outils d'aide au profit du secteur privé local. Je vous remercie. En tout cas, le plaisir est pour nous. L'émission est présentée et réalisée par euh, votre ami fidèle serviteur Amadi Khalilou Yemi. La technique et la digitalisation, c'est l'affaire de Xavier Mendy. Nous allons démarrer cette émission, euh, donc euh, permettre à Pape Amar, il est le responsable, je rappelle, du marketing intérieur de l'APIX. Pape Amar, revenez un peu en termes d'introduction justement sur ce volet, mais également sur le processus que vous allez démarrer demain ici dans la région de Ziguinchor. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, c'est le résultat d'un long processus. Euh, les acteurs qui habitent gens, vous diront que les locaux que nous occupons aujourd'hui, ce sont les anciens locaux de la DGID qui nous avaient été mis à disposition par le gouverneur Chertiandien, Al Boulot, vous l'appelez. voilà, <laughs> Et qui aujourd'hui a été transformé grâce euh, au soutien de partenaires techniques et financiers, mais surtout sur l'initiative de l'État du Sénégal. Et ce dispositif est le fruit d'un partenariat tripartite. Euh, APIX, ANRAC, CNDT. Est-ce que vous voyez la configuration mm a une mission de reconstruction de la Casamance. La CNDT pour créer un cadre de dialogue territorial. Mhm. Et comme un dispositif technique qui accompagne pour promouvoir l'investissement, présenter les opportunités, mais aussi un guichet de service qui s'appuiera sur deux leviers le cadre physique, c'est bien chaud Mais on aura un levier mobile qui va aller dans les régions. Et aujourd'hui, dans le cadre justement de la euh, vulgarisation du siège de, de l'APEX euh, du, du, pôle sud, nous organisons des guichets mobiles. Pourquoi guichets mobiles C'est l'APEX qui se déplace et qui déploie toute une équipe au au service des populations pour les aider à se formaliser. Ça, on va y revenir avec Bintou, qui maîtrise mhm. très bien ces aspects-là c'est la formalisation, c'est un processus achevé pour quelqu'un qui veut investir. Mhm. Le Sénégalais, en général, il est dans le commerce de manière informelle. Une fois qu'il maîtrise le marché et qu'il a envie de grandir, il va chercher à se formaliser à travers le NINEA et de commerce. De par le passé, les populations dépensaient 50 000, 100 000 francs à travers des intermédiaires. Qui, qui, il, y avait, il y avait tout un fou autour de ce processus de, de, formalisation. Et l'APIC s'est donné comme mission, depuis 2006, à ouvrir des bureaux régionaux. Bureaux régionaux à, à, à Saint-Louis, Kaolak, Tambacounda, Touba. Mais après, on s'est rendu compte que sur déjà l'instruction, une directive présidentielle en, 2013, mhm. qu'il faut opérationnaliser ce dispositif en créant, en tout cas, avec quatre ambitions créer un cadre innovant où aujourd'hui, l'opérateur économique de la Casamance me dira Mais ce que j'ai, je aller à Dakar je reste à Ziguinchor et je fais mon projet d'investissement. D'habitude, on recevait des investisseurs, mais tout le mhm. de des Ziguinchor qui venaient jusqu'à Dakar parce qu'ils avaient confiance. Parce que d'habitude, on était logé dans des locaux mhm. partenaires, la CNCA, pour ne pas la Et ce cadre n'était pas vraiment le cadre profit. Parce que quand même, il faut reconnaître que investir au Sénégal, c'est un parcours du combattant. Mhm. Tu as des stops, la DPM, l'APEX pour la formalisation, le bureau de mise à niveau pour aider à grandir mhm. et les Et c'est à partir de la directive présidentielle 2013, on s'est dit, mais pourquoi ces quatre agences-là ne travaillent pas ensemble Et c'est là où est né ce concept de plateforme de l'investissement, qui veut maintenant que sur le même site, nous ayons ce dispositif-là, APEX, ABPME, Bureau de mise à niveau, avec des partenaires territoriaux, comme l'ANDRAC et la CNDT, pour la Casamance. Sur Saint-Louis, on va, trouver d'autres partenaires. L'Office du tourisme. Saint-Louis. Parce que c'est la mission de la région. Mhm. Et maintenant, à partir du moment où on a ces partenaires-là, on va se dire, mais maintenant, il faut aider les populations à se formaliser. On l'a fait à Colda. Colda, c'était l'année dernière vous envoyez des images. On était parti pour rester deux jours. <laughs> Ils sont restés dix jours. Dix jours. Dix jours. Tellement c'est. L'engouement des populations. Aujourd'hui, l'APEX, c'est un fils de la région qui pilote. Mhm. Il, se s'est dit, mais attendez, le dispositif qu'on va mettre en place, ça va être un dispositif d'animation économique de la région. Hier, vous avez vu, Zigancher a vibré. Mhm, effectivement. Avec le Casasport, avec le gala de la presse. Mhm. Ouais, c'est ce qui fait vivre une ville. Effectivement. donc, je parlais des quatre ambitions. Un cadre innovant Mhm. mettre en place un dispositif technique où des personnes compétentes orientent, assistent. avec par rapport à tes projets. Travailler à l'interconnectivité des, des, investisseurs. Que Ziguinchor commerce avec Colna, que Colna commerce avec Seyou, que Seyou commerce avec Ziguinchor. Mhm. Et qu'on travaille à créer un label Casamance. Que les mairies, que, les, collectivités territoriales, mais travaillent à l'intercommunalité. Ça, on va y revenir avec Bintou dans le cadre du cadre de dialogue privé. Et enfin, le dernier point, c'est l'articulation des investissements de la diaspora par rapport à la terroir. C'est important. C'est très important. Et aujourd'hui, je vois des jeunes ou des personnes, en tout cas dynamiques, comme Casa Industrie, comme euh, M. Sadi qui travaille, euh, qui travaille dans, les acropoles, on va y mhm. revenir, mais qui essaie de faire bouger la région. Et là, ils ont besoin aussi de l'APEX pour pouvoir aller là-bas pour ne pas trop être long, voilà ce que nous apprenons aujourd'hui aux populations. Donc, si on vous comprend bien, la solution, c'est justement euh, ce, processus donc, euh, que vous déclinez, que vous décrivez, justement à travers euh, ce pôle d'investissement créé par la PIX. C'est la solution parce que c'est le portail. La PIX, tout le monde l'a rappelé, est le gate, le portail d'entrée de tous les investisseurs au Sénégal. Madame Nyan, à l'époque, l'avenue des premiers nous disait que investir au Sénégal c'est un parcours du combattant maintenant il faut apprendre et aider les populations à avoir en, confiance c'est-à-dire dans ce processus là nous guestons, quand ils se retournent la piste est là en leur disant mais on est là avec vous pour avoir des ignorations sur le matériel bon la formalisation d'abord. Mhm. on t'aide à avoir le NINEA le registre de commerce et tout ça. Mhm. quand ton projet est éligible on te dit tu vas avoir des ignorations sur le matériel sur même les semences maintenant, avec la nouvelle loi. Mhm. Donc tu vois, on te, met en confiance. Mhm. Mais après ça, maintenant, les, les, investisseurs nous diront, mais hmm, Apix, financement, Et aujourd'hui, là, la plateforme, on dit, on va avoir un dispositif physique, opérationnel, avec ces agences mères, mais on va avoir aussi un pool finance mhm. dans les prochaines années, pour DER, Fongip. être dans le dispositif tu ne sortiras pas du cadre sans qu'on trouve une solution pour tes problèmes. C'est une véritable opportunité, donc, euh, M. Amar, qui nous a euh, introduit un peu justement ce qui attend euh, demain, justement, les, intéressés. je pense que ils vont, donc, vous allez avoir une forte mobilisation ici à Chiguinchor par rapport à tout ce que vous venez de dire, quand on sait que justement la région est en train justement euh, et dans un processus euh, en tout cas euh, qui est favorisé aujourd'hui par le retour d'une paix en Casamance et donc l'investissement est en train de redémarrer et pour changer la donne dans le sud du pays. Nous allons parler de l'environnement régional des, affaires ici à Gingachor et ça sera avec Safietou Diouf. Safietou, revenez un peu sur cet aspect. Qu'est-ce qu'on entend par environnement régional des affaires Merci, merci Amdi, merci. Euh, Apix euh, SA, dans le cadre de la décentralisation de ses services, effectivement a mis en place des bureaux qui, euh, après, sont migrés, par exemple, le bureau de Ziguinchor en une plateforme d'investissement euh, qui couvre un peu les trois régions, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Euh, euh, l'objectif de, la mise en place de cette plateforme d'investissement, effectivement, c'est pour un peu améliorer l'environnement des affaires. Mhm. L'environnement des affaires, c'est tout ce dispositif-là qui est là pour accompagner le porteur de projet, le promoteur, euh, à vraiment pour la création d'entreprises, soit pour l'encadrement, soit pour le développement de ces activités. Apex, euh, la plateforme d'investissement euh, zone sud, il est prévu dans cette plateforme d'investissement, euh, je peux dire trois dispositifs. On a un guichet unique pour la création d'entreprises. Ce guichet unique regroupe tous les services qui interviennent dans la création d'entreprises. Parce que pour l'obtention du registre de commerce, il y a plusieurs structures étatiques qui interviennent. Mhm. Vous avez d'abord, déjà, il faut des papiers certificat de résidence, casier judiciaire, photocopie carte d'identité. Après, il faut le tribunal avec les greffiers qui vous donnent le registre de commerce. Mhm. Après, vous partez au niveau de l'ANSD pour le NINEA. C'est un parcours du combattant. Oui, c'est trop long. À, Pix, comme Dakar, le guichet unique, on a un guichet unique où l'entrepreneur vient dans un même lieu et donne seulement sa pièce d'identité. Pour les autres papiers, il la sur place. En 48 heures, vous avez votre registre de commerce et le NINEA quand on parle de l'équité territoriale, c'est ce que APIX veut mettre en œuvre à, travers ses plateformes d'investissement. Le parcours de l'entrepreneur de Dakar doit être le même parcours de l'entrepreneur de Ziguinchor, de Kédougou, de Tama, etc. C'est l'objectif de ces plateformes. Donc, comme je le disais, dans cette plateforme d'investissement, il est prévu trois dispositifs. Le premier, c'est le guichet unique, qui regroupe tous les services qui interviennent dans la création d'entreprises, où on aura la DGID, on, on aura le tribunal avec les greffiers où on aura un agent de l'ANSD. L'autre dispositif, euh, mon collègue Pape Amar l'a dit, c'est accès aux services non financiers. C'est tout ce qui est encadrement. On aura peut-être le bureau de mise à niveau qui sera là, on aura ADPME, où on aura 3 FPT, pourquoi pas. Mhm. Toutes les structures qui interviennent pour encadrer, c'est la deuxième étape. Mhm. Et l'autre dispositif, c'est l'aspect aux services financiers. Donc, on aura Fongip, on aura l'ADER, on aura d'autres partenaires techniques qui accompagnent le secteur privé à l'accès au financement, comme la Plasipri. On aura, euh, pourquoi pas, BND. Donc, en quelque sorte, les plateformes d'investissement <coughs> des régions, c'est comme une maison d'entreprise, en quelque sorte. L'entrepreneur entre dans cette, ou le porteur de projet, ou le promoteur, entre dans cette plateforme d'investissement les agents qui sont là sont dans les dispositions de lui donner toutes les informations dont il aura besoin pour son activité, à la création, à l'accompagnement, à l'encadrement et même l'orienter vers le financement qu'il faut. Il y a aussi dans ces plateformes d'investissement le guichet unique euh, pour l'obtention de l'agrément qui, permet à l'investisseur de bénéficier des avantages qui sont dans le code des investissements ou dans le code euh, euh, douanier. Oui, le code douanier, euh, mais aussi les zones économiques spéciales. C'est ça. Donc, en un mot, c'est ça l'environnement un peu des affaires. C'est-à-dire, a voulu améliorer un peu l'environnement des affaires qui sont dans les régions en mettant en place cette plateforme qui regroupe tous les dispositifs nécessaires pour accompagner l'entrepreneur à la création, à la formation, à l'encadrement et à l'obtention d'un service financier. Voilà un mot, en, euh, un, ce que je voulais dire. Euh, si, on comprend, il y a l'aspect proximité qui est mis en, avant justement dans cette démarche. C'est ça, parce que je voulais dire tantôt que la plateforme d'investissement, euh, sa zone d'intervention pour Ziguinchor, c'est trois régions. Colda fait partie, Sidiou et Ziguinchor. Donc de temps en temps, on organise des guichets mobiles dans ces régions je pense que Bintou va venir sur les aspects techniques d'un guichet mobile. Mm-hmm. Donc, c'est la proximité avec la population. Et je, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de mettre en œuvre les réformes que l'État a mises en place à travers APEX. L'entrepreneur de Dakar, son parcours doit être le même que l'entrepreneur de Kédougou, Tambaz, Guincho. Les coûts de création doivent être les mêmes. Les coûts de création pour l'entrepreneur de Dakar doivent être le même que le coût de création pour l'entrepreneur de Cap de CEU ou de Colda. Nous, quand on est venu ici en 2021, on a trouvé que déjà pour l'obtention d'un INEA, c'est 75 000. Mm-hmm. On fait des recherches, on voit qu'ils ont diminué à 50 000. Il n'y a aucune base légale. Mm-hmm. Le NINEA est gratuit. Mm-hmm. Le NINEA, c'est gratuit au niveau national. C'est des textes. Mais tu vas d'une région à une autre. Mhm. Le NNA, c'est 75 000, c'est 50 000. La création de l'entreprise, le registre de commerce, c'est 10 000. C'est le timbre qui coûte 2 000. En mhm. principe, pour une entreprise individuelle sans nom commercial, c'est 12 000. Mhm. Ça doit être général. La loi est générale pour tout le monde. Il n'y a pas une loi pour seulement les entrepreneurs de Dakar. Donc, si on, on met en œuvre des réformes à Dakar, à travers APIX, on met en œuvre ces textes, pourquoi pas, on ne doit pas les mettre en œuvre dans les autres régions C'est l'objectif de l'APEX, de mettre en œuvre ces réformes qui ont été mises en place pour un peu soulager l'entrepreneur. Il ne faut pas qu'il y ait des freins dans la création. Mhm. La formalisation est importante pour tout entrepreneur qui veut se développer. Effectivement. On ne peut pas se développer, on ne peut pas agrandir son business sans pour autant être formel si vous me le permettez. Mhm. on a fait le recensement général des entreprises mhm. qui montre qu'on a une, économie qui est informelle. Sur 100 entreprises, les 97 sont informelles. Mais un pays ne veut pas se développer, développer. dans ces contextes. Et tu vas voir que beaucoup de pays, c'est l'entrée. Il faut lever ces barrières, ces contraintes qui font que les gens ne se formalisent pas. Et c'est l'objectif de ABIX, de venir vraiment améliorer l'environnement des affaires et tout ce qui est contraint, qu'on essaie de voir comment initier des réformes pour enlever ces barrières. Merci beaucoup. Qui est donc euh, en mm-hmm. plein combat pour, euh, donc, contre euh, l'informel sur le plan économique. Madame Bintou Diagne oui. vous êtes la coordonnatrice des plateformes de l'investissement au sein de l'APIX. Voilà, vous allez nous parler des aspects techniques de cette mission. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Euh, merci de nous donner l'opportunité de communiquer sur les mesures d'accompagnement de l'APIX au profit du secteur privé local. Euh, je voulais juste faire un petit résumé, un petit rappel sur les plateformes d'abord de l'investissement, qui étaient des bureaux régionaux et que ces bureaux régionaux sont migrés en plateforme de l'investissement. Donc on avait euh, le premier bureau de, l'APIC, c'est le bureau de Giguinchor, euh, avec une convention de la CNCAS, euh, la LBA, en 2005, et le bureau de Giguinchor est ouvert en 2006, qui couvre il couvrait toujours euh, les trois régions, la région de Ziguinchor, Sédu et Kolda. On a ouvert également un bureau en 2007 à, Saint-Louis qui couvre les trois régions euh, nord, c'est-à-dire la région de Saint-Louis, euh, la région de Louga et la région de Matam. On a ouvert également un troisième bureau à Touba, et j'avais vraiment l'opportunité de diriger ce bureau pendant six ans. Mhm à Touba qui couvrait la, région de Djoubel, euh, Louga même, bien, que la région de Louga euh, dépend de la zone nord, mais on recevait même euh, des dossiers de, la région de Louga et également de Djourbel. Il y a également un quatrième bureau qui est le bureau de Kaolak, qui couvre la région de Kaolak, Kafrine et Fatik et également le cinquième bureau qui était le bureau de Tambacounda, Tamba et Kédougou. Et euh, depuis 2015, euh, il y a trois de ces bureaux qui sont, en, euh, qui sont migrés en, plateforme. le bureau de, Saint-Louis, qui est la plateforme pilote qui couvrait les trois raisons, c'était la première plateforme de l'investissement. Mhm. Et après, on a ouvert la plateforme sud et aussi la plateforme centre-ouest à Sali. Donc la plateforme sud, c'est les trois raisons et la plateforme centre-ouest, c'est la raison de Thiès. Et on a, dans l'avenir, on a prévu euh, une quatrième plateforme euh, à, à, Kaula, euh, au centre, et également à Kédougou S. Donc c'est ça, ça, les bureaux. Et, les, donc actuellement, la PIX a trois plateformes et trois bureaux régionaux ça veut euh, dire que la PIC est en train de s'imposer petit à petit. Exactement. Et donc avec euh, ce volet de faciliter un peu. De faciliter un peu, euh, le, comme mes collègues l'ont dit, faciliter un peu le déplacement, d'aller jusqu'à Dakar vraiment pour effectuer certaines formalités administratives. Mmh. Oui. je voulais un peu revenir sur le concept du guichet mobile. Mmh. Donc le guichet mobile de promotion et des services aux entreprises, on peut dire que c'est une activité conjointe où on délocalise toute nos gammes de services mhm. euh, avec euh, tous les dispositifs d'appui au secteur privé. Donc il y a l'APIX avec ses partenaires comme le bureau de mise à niveau, la CEPEX, euh, la DPMO. E il y a également les, les SAM consulaires qui sont membres des plateformes, bien qu'ils ne se réalisent pas au niveau des plateformes. Mhm. Les SAM consulaires, la SAM de commerce, la, oui, la SAM de commerce, les de, la de métier. Il y a l'ARD aussi qui est partenaire des plateformes. Mhm. Il y a également euh, les, agences euh, qui appuient le financement comme l'ADER, le Fonds 6, le Fonds GIP ils sont toujours membres de la plateforme. Et comme Pablo a expliqué tout à l'heure, dans chaque plateforme, on a, on a un partenaire. Par exemple, pour la plateforme euh, Nord, il y a le syndicat d'initiative Office du tourisme mhm. qui est partenaire de, la plateforme avec les, agences du dispositif. Si on parle de Sali, il y a, la SAPCO. Si on vient à, à mhm. euh, il y a Andra et, et CNDT, mhm. Oui, qui sont les partenaires. Donc pour les guichets mobiles, on délocalise. Donc pour les deux jours, nous sommes là pour, c'est pour demain et après-demain. Donc il y aura euh, tous les dispositifs. Nous sommes venus avec la DZI. Euh, déjà nous sommes venus avec Gain des 2000 qui va nous faciliter un peu. Donc on a mm-hmm. déployé la plateforme du BCE. Donc, même lieu, même place, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y aura un guichet mobile, un guichet unique, de pour moi, au niveau de la plateforme de, de, de, de Sud euh, dans les, au quartier Escale, exact. Donc mhm. là, on a, euh, il y aura un dispositif. Vous venez même lieu, même place, vous accomplissez toutes les formalités. Il y aura euh, la porte d'entrée, comme on dit, c'est pour avoir déjà un, euh, un registre de commerce, un INEA, il y a, il y a mhm. un checklist, il y a des, des documents, des pièces à fournir. Et pour les pièces à fournir, il faut un certificat de résidence, il faut un extrait de casier judiciaire. Donc pour faciliter tout ça, on a, on a, donc ils sont dans le process déjà. Donc au lieu d'aller à la mairie pour avoir un certificat de résidence, d'aller au tribunal, donc vous trouverez tous les dispositifs. Qui sur place, au niveau de la plateforme. Et donc euh, en, un temps record. Même, même jour, vous déposez le matin, l'après-midi vous aurez vos documents. Mhm. Et on a associé aussi euh, dans cette édition, parce que nous sommes à la 13e édition, on a fait, je pense que Là aussi, la mémoire est bonne. La première édition, c'était à, Matam. On l'a fait à Matam en 2019. Mhm. On l'a fait à Sali. On a fait un guichet mobile à Loga. On a fait un guichet mobile à Jigensho, On l'a fait à Kolda. Mhm. On l'a fait à Ndjoum, dans le département de, de Podor. On l'a fait à Airelao. À Sali, je l'ai dit tout à l'heure, oui. On l'a fait à Sali aussi. Et également euh, à Djama, toujours dans, le département de Dagana. Mhm. Donc voilà, guichet mobile de Sangalkam et de Paris aussi. Mhm. Il y a pas mal d'éditions. Oui, on mhm. l'a fait à Paris aussi, guichet mobile Paris. Euh, prochain guichet mobile à Paris, ce serait dans les valises de la <laughs> Inch'Allah. Voilà, euh, il y a également cette question. Je vous reviens, je, vous avez terminé D'accord. Donc, oui. Allez-y, continue. D'accord. En fait, c'était juste pour préciser que pour, les, pour, la, pour la création des, entreprises, personnes physiques ou personnes morales, juste pour un peu revenir sur les frais de constitution. OK. Parce que c'est important. c'est important. Mhm. Euh, euh, j'étais en train de citer tout à l'heure le, dispositif, les, nos, nos, partenaires. Donc, il y a OAPI pour les noms, parce qu'il y a des, des, entreprises avec des noms, les, des noms commerciaux. Pour les GIE aussi, c'est des personnes morales, donc il y aura des noms. Donc ça, on, nous sommes venus avec euh, ASPIT, l'OAPI qui protège les noms des entreprises. Mhm. Donc il y a OAPI, il y a la DZID aussi qui est dans le dispositif. Mhm. il, y a, euh, il, y a, il y a ANSD aussi pour les NINEA. Euh, euh, il y a TradePoint aussi. On a associé cette, dans cette édition TradePoint pour les cartes commerçants et les cartes import-export. Mhm. Donc, au même lieu, le promoteur peut venir ce demain matin avoir son registre de commerce son Ninea et, ses cartes. Et euh, il y a une surprise aussi pour la Constitution. Mm. Euh, pour les 100 premiers, ça peut-être euh, au, final, euh, avant de... Euh, Il faut me souffler ça parce que je serai bien Oui, les, pour, les 100 premiers, oui. À 4 h du matin, faire le vent. <laughs> D'accord. Donc voilà, pour les 100 premiers, donc il y, il y a, vraiment une surprise. pour On y reviendra sur la surprise. la surprise. Voilà, donc je voulais vous interpeller sur un aspect parce que j'ai vu également que vous allez initier donc les parties inciter autant pour moi les parties prenantes clés euh, à la construction et à la concession d'un cadre de dialogue public-privé local. Ah ça, ça, c'est important. <laughs> Aujourd'hui, euh, le, Sénégal est dans un processus de décentralisation. Comme elle l'a dit, il faut que les régions aient les mêmes prérogatives euh, en termes de, de réforme, de propositions de réforme que, que la capitale. Vous savez que le CPI est une invention presque de la PIX, mhm. le Conseil présidentiel de l'investissement. Mhm. Et le, charme du CPI, c'est qu'on se réunissait dans des groupes de travail. Et en fin d'année, on se mettait au président de la République, dans l'ordre du grand messe, <coughs> des décisions sur lesquelles les opérateurs attendaient un arbitrage du président. Mais les régions étaient un peu en, marche. Mhm. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur la mise en place de cadres de dialogue régionaux. Mais là, on va dire territoriaux parce qu'il va aller de manière progressive. Et l'acte 3 de la décentralisation nous encourage à aller vers ça. Mm-hmm. Où l'APIX, le secteur privé, sous la houlette de l'ARD et les chambres consulaires, on crée des réunions trimestrielles, quatre réunions dans l'année, par exemple, pilotées par un comité exécutif. On a eu, on a exécutif local, On a eu une expérience très enrichie à Saint-Louis. Mm-hmm. Et euh, Aujourd'hui, on a le financement des DSP pour avancer dans ce cadre. Oui. Et maintenant, ce cadre de dialogue va réfléchir et proposer des réformes qu'il va transmettre au gouverneur et qu'il va transmettre après à la prise dans le cadre de ces pays. Mhm. Donc, c'est une avancée majeure. Donc, demain, Inch'Allah, en plus du guichet mobile, on va faire des panels. Deux panels. Mhm. Sur l'attractivité de, la région ou même du pôle territorial. C'est-à-dire, quand je parle d'attractivité, on a une mission de capture des investissements. Elle l'a dit. On formalise et on met à disposition les informations pour ceux qui veulent aller dans le droit commun, le code des investissements. Ceux qui ont le gabarit assez lourd pour pouvoir aller sur l'export, les zones, les zones d'économie spéciale, mhm. et les agropoles. Et ça, je vais y revenir. Mhm. L'agropole ADN est une excellente opportunité pour la région. Effectivement. Avec des bases euh, réparties sur les trois occasions. Mhm. Et aujourd'hui, moi, l'ambition qu'on a pour la fixe, en plus du cadre de dialogue, et on va y revenir tout à l'heure, c'est peut-être un guichet pour accueillir les, opérateurs qui veulent aller dans le groupe. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Mhm. Pour ce cadre aussi, je voulais mhm. juste euh, mhm. compléter que pour le cadre, on peut dire que la plateforme Nord déjà est en avance par rapport aux autres. Parce qu'ils ont déjà euh, lancé le cadre et même bénéficié euh, de l'appui de, la DDSP, de la direction d'appui au secteur privé, pour la formation des acteurs. Ils ont déjà ciblé ils ont déjà identifié, du moins, hein. ils ont déjà identifié les acteurs membres de ce cadre. Ils ont fait, une formation pour ces acteurs la semaine dernière. Mm-hmm. Donc, oui. En tout cas, merci, merci pour ces précisions à vous, euh, Fatou Diagne Ndaw. Euh, nous allons, euh, Fatou Bintou Diagne voilà donc toutes mes excuses. Nous allons passer à la deuxième partie, si vous n'avez pas des précisions à apporter avant qu'on passe en langue nationale Wolof, la langue de Côte Barma, dans cette émission. Peut-être rappeler juste sous les pièces, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, mm. pour, pour, les pièces à fournir il faut, pour euh, les personnes physiques, entreprises mhm. individuelles, mhm. il faut juste une copie de votre pièce d'identité, un certificat de résidence pour identifier le siège et un extrait de casier judiciaire. Donc, on a besoin juste les trois documents. Et on a déjà euh, certificat de résidence et... on a, oh, dans les locaux, il y aura euh, le représentant de la mairie et pour les certificats de résidence. Euh, pour les de également un représentant de, du greffe pour les, casiers. Donc mhm. vous venez juste avec une copie de votre pièce d'identité. Mhm. C'est tout. Non, ce n'est pas, pas la peine de légaliser. Donc c'est clair, hein, vous venez avec une copie de la pièce d'identification. pour, ceux qui ont ciblé pour mettre en place, par exemple, des projets collectifs, mettre en place un GIE, par exemple, personne mhm. morale, on a également les modèles à renseigner sur place. Même si vous voulez, c'est disponible même au niveau de la plateforme. Ils pourront passer aujourd'hui, même récupérer, comme ça, demain, oui. Ils pourront venir récupérer le statut, le procès verbal et le règlement intérieur. Ok. Oui, ils pourront. Ah, ils peuvent anticiper. Ou, sinon, demain matin aussi, on a un bureau carrément, constitution de, euh, création de GIE. E. Et comme, vous êtes en partenariat avec la presse, la presse ne va pas se bousculer et faire le Non, non. Et pour la surprise, peut-être euh, <laughs> pas, <laughs> pas revenir. Hein, <laughs> la surprise, euh, on est en français, mais la surprise, on va attendre le Wolof. Mais bon, c'est l'occasion aussi de mm. remercier toutes les personnes qui ont eu à travailler dans les bureaux de l'APEX, sur mm. la radio. Euh, et tout elle dit depuis que je suis là, euh, en 2021, mais on est là depuis 2006. Mhm. Et on a eu des personnes qui ont travaillé. C'est l'occasion de le rendre hommage. Monsieur Barry Boubacar, mhm. euh, Monsieur Seydou Mané, il y a actuellement aujourd'hui dans l'équipe euh, Eugène Diémé et Ibrahim Mouba qui travaillent dans la région. Mhm. Les conditions de travail ne sont pas toujours euh, faciles, mais bon, elles sont des personnes qui se battent, ou qui sont battues pour la PIX. Et c'est l'occasion de leur rendre hommage. C'est l'occasion aussi de saluer le geste fort que la PIX a fait hier pour le Casasport. Pour le c'est important. C'est important de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de marketing territorial Mhm. soit 103 trois outils. Mhm. Le label économique et social à travers les entreprises et les produits de la région, mhm. mais aussi à travers le sport. Et c'est important. Et à travers le, label immatériel, la, culture. Et hier, l'APEX a posé un geste fort en octroyant au Casasport 90 millions de francs CFA dans le cadre de la RSE. Et avant, c'était l'école qui était... Euh, oui. mais, oui, oui, donc aujourd'hui, la RSE de l'APIX est en train de montrer qu'il est possible pour les agences de l'État de travailler en synergie avec les populations, avec les acteurs économiques, sportifs et culturels. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est toute la région qui le magnifie. Mhm. Et c'est l'occasion de rendre hommage à l'équipe du Casasport. Et ensemble, avec l'APIX, on va se battre pour mettre en place un dispositif de marketing territorial de la Casamance. Inch'Allah. Euh, donc, euh, c'est euh, en tout cas, les populations diront Amine à travers les ondes de la 93.4 Génération FM, la radio de toutes les générations. Nous allons passer, auditrices et auditeurs, je rappelle que c'est une émission spéciale avec l'APIX SA qui organise les lundis 13 et mardi 14 novembre, demain après-demain donc, à Giguinchor avec l'appui de la plateforme de l'investissement euh, Sud un guichet mobile de promotion et de services aux entreprises pour apporter une réponse spécifique aux besoins du secteur privé local. Donc euh, beaucoup d'opportunités vous y attendent. Il ne faudrait pas manquer à ce rendez-vous. Mboki déglu Génération FM di leen nuyu ku nekk santam di leen di déglu émission spéciale Tay, Aqua waa APIX lëkkaloo ak Génération FM pour voir si euh, en tout cas une activité bu am solo bi nga mu ngi koy organiser fii si Ziguinchor di loolu di suba

Euh, kuréel bi pap Amar euh, donc euh, nekk responsable marketing intérieur bu APIX bokk na si kuréel boobu ñu commencé si moom parce que ñeneen ñi ay jigéen lañu suñu yaay lañu balaa ñu leen di jox kàddu na jox góor gi ñu génnee ko septico ñu daal di jox jigéen ñi kàddu ji pap Amar ñu jaajëfal tey sa disponibilité jërëjëf Khalil en fait tey ñëw nañu Ziguinchor depuis démb équipe baa ngi fi ñu ngi liggéey si plateforme d'investissement bi ku gis makkaan bi xam ne quand même APIX jox na cër région bi. Makan mi ñu ci ciy liggéey depuis 2015 donc fofu mo don les anciens locaux de la DGID et je me rappelle à l'époque Cheikh Tidiane Dieng le gouverneur al boulot al boulot mo ñu ko joxone waaw après bon amna ci ay jaar jaar àndarak ñu dugg ci CNDT ñun ñun ñëpp ñu né légui dal nañ bolo suñu dolé def makan bo xamné ak suñu la mag mondial vraiment bu mucc ay tay makan bi paré na ñun tay dañ ko bëgg jox gëdd dugal ci lo xamné euh day nekk likoy dundal parce que tey dañ ne apex war na yëngal gox bi de telle sorte que képp ku yëngatu ci koom-koom xelam day dem ci ma APIX. Mhm. donc loolu mo doon suñu suñu yéene parce que tey président moo ñu joxoon en 2013 ne dugal leen gaaw seen loxo ci ñu opération ñu koy woowee ñu doxal ñu doxal euh, la politique de proximité c'est-à-dire que tey les populations aujourd'hui comme elle a dit nous ñu ñu ñu Tambacounda Matam Dakar les mêmes chances. Mhm. pour réussir le projet économique. Mhm. donc c'est ce que depuis proximité 2006 à Ziguinchor le bureau régional la mais mhm. plateforme de l'investissement. investissement. bureau de mise à niveau AGEPEX.

mën bëgg def benn séminaire mais dañ ci dañuy boole suñu doole. Mhm. agropole tey boo duggagul si plateforme bi mais ñun am nañ ambition ne ndey ku dugg si plateforme bi suñu la xoolee xayma sa sa sa sa gabarit ni nga toll. Mhm. ñu ne mais yow agropole nga jëm foofu mooy sa place. Mhm. donc voilà un peu le big picture. plateforme bi aussi am na benn démarche boo xam ne dañuy dox seeti nit ñi maanaam ci koko goxaan yi. ñaari yoon ci année bi ci commune li mu lim ñi ñëpp ñu ànd. jël suñuy bagage ñëw toog Kolda. Mhm. ne kan moo bëgg et puis nag foofu aussi am na lu ñu lu ñu fa doxal lu doy war keroog. Mhm. espace Sénégal espace Sénégal service bi mooy nekk le premier portail d' entrée. de l' investissement au Sénégal. Kolda dañu fa waroon toog ñetti fan kilifa nañu toog ñetti fukki fan. parce que xoolal téléphone maa ngi explosé. walaay kon moo tax mais dañu ay xam nga lan laa xalaat. Mhm. macha allah euh, gis nga digital bi. mais gaawal na mbiri tool mhm. suba su la nee mën na mën na defar kayit boobu si si si ci bés bi même ci ñaari waxtu wala ñett mhm. yow nga war a jommi en opportunité bi nga xam ne daal daal laa bëggoon am tey comme message mhm. bindu ci wolof dina ñëwaat un peu technique bi mais daal vraiment opportunité pour région bi la am na lu ñu liggéey loo xam ne bëgg nañ ko def balaa émission bi jeex nañ ko wax incha allah

Euh, si ça doit marcher il faut compter sur l'expertise féminine moo tax euh, ñi leen di jaajëfal euh, Safietou Diouf yooyu ay chargé d'investissement ces plateformes d'investissement zone sud bu sigitior mm-hmm. ñu bàyyi la rek nga dellu si si li nga environnement régional des affaires surtout si taxawaay bi ngeen am mm-hmm. merci beaucoup Khalil jërëjëf Nous ngi remercier déjà ci opportunité bi may pour ñu mën a waxtaan ak euh, Ziguinchor askanu Sédhiou askanu Kolda ndax plateforme euh, euh, comme français APEX déjà accompagne accueillir kepp ki nga da économie APEX en principe day lay jox information bi pour bu fekkee da nga bëgg a création ñu wax la nooy def pour nga mën a am sa registre de commerce NINEA ah. bu fekkee da nga soxla encadrement ñu jox la information yu nga soxla yépp pour sa encadrement bépp information boo soxla ci affaire financement nooy def pour am financement APIX di lay jox information yi loolu la ñoo si tubaab ne dina la accueillir dina la orienter euh, dina la jàppale aussi ci information yu nga soxla yépp day mel ni daal sa kër bépp entrepreneur bépp euh, ku bëgg a yëngu ci dara rek bo ñëwee apex dina la mhm. jox information bon environnement Ziguinchor nak moy wala Casamance euh, euh, service yi newuñu même place. hmm da ngay am da ngay bëgg par exemple pour euh, registre de commerce di nga dem. Euh, pour am certificat de résidence déjà ñaari structure une la ko jox sa chef de quartier da koy jox. Ah, ba fa mm-hmm. nga mairie ñu défal la. bo soxlé judiciaire nga dem ci tribunal ñu défaral la. Mm-hmm. commerce nga tribunal commerce donc ah, aussi nga faire. ci benen structure. donc mm-hmm. da ngay gis ni mom lañ wax le parcours de combattant nit ki bu soxlé benn papier une semaine té da ngay la plupart ñom gens euh, duñu am Mhm. pour jóge fii dem fii jóge fii dem fii mooy lu sama càmmi ñu wax sànq rek ne euh, moo tax lu leen laaj intermédiaires yi dañoo bëri. ñu nekk ci mhm, diggante bi da ngay mhm. laaj soixante quinze mille cinquante mille pour papier alors ko war na yàlla jafewul doo ci am dara doo ci doo ci fay lu bëri. mais APEX dafa jóg nag vraiment pour environnement boobu mu jombal ko bépp képp ki nga xam ne da nga bëgg yëngu ci dara nga soxla ay kayit pour nga mën a yëngu légalement. ci say activité mhm. bo ñëwee APIX tey la jox information yu nga soxla yépp te doo ci sonn dañuy améliorer un peu environnement des affaires euh, APIX mi ngi fi depuis 2006 ak plateforme bi dañuy gis ne day gën a yomb mhm. plateforme bi lu muy doon mooy day regrouper day jël structure yépp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci création d'entreprise ñu indi ko ci biir plateforme bi yow booy ñëw da nga ñëw sa carte d'identité rek ak certificat résidence casier ñu yombal la mbir mi ndax structure yi ci intervenir yëpp di nga leen fekk ci biir plateforme APEX bi. Mhm. kon loolu mooy en principe liggéeyam. Mhm. jàppale képp ki nga xam ne da nga bëgg a yëngu ci activité commerciale ñu jàppale la nga am say kayit boo bëggee yeneen information ñu orienté la ci noy def bi am information yi boo soxlaa yeneen kayit même à part kayit registre de commerce ni na yaa parce que am na secteurs yi nga xam ne day la ngay soxla yeneen kayit. comme mhm. boo demee secteur pêche. bu le boo mérite de commerce am seen pareil, il faut nga am autorisation du ministère wala licence nañ ko du ministère de la pêche. Mhm. APEX mun na la si jàppale ba mu yombul ci yow. Mhm. en un homme APEX daal dafa nekk pour que ki nga xam ne da nga bëgg yëngu ci activité commerciale moi xam agricole Le lépp lu mu mënti doon boo ñëwee incha allah dina la jàppale ci lépp pour sa création say kayit pour encadrement dina la jéem orienté aussi pour financement apex APEXDA dafa indi li nga xam ne loolu mooy proximité euh, facilité également l'obtention de tous ces documents pour ñëpp ñi nga xam ne dañu bëgg a yëngu si wàllum entrepreneuriat ñu bëgg créer seen entreprise entre autres mu doon li nga xam ne lu am solo la tey soo amoon soo naroon yëkkati sa kàddu pour ñaax sama population ñiy déglu. Mhm. Euh, pour population Ziguinchor pour population Casamance de façon générale lu may ñaax mooy nañu góorgóorlu am ay kayit lu mel ni registre commerce ni ne dafa am solo ci activité commercial ndax lu tax loolu la ñuy wax formalisation tey boo soxlaa financement dans une structure moo xam bancaire la moo xam partenaire la ku la bëgg a mais kooku dalay laaj registre de commerce. Mhm. dalay laaj ni ne yaa tu yi mooy wane ne yow entreprise nga. Mhm. kayitu yooyu mooy identifié, ne yow da nga am benn activité boo ko amul doo financement boo bëggee te yenn euh, opportunité comme par exemple même encadrement bi ñu wax nii. Mhm. am na structure yi nga xam ne dañu naan dañuy encadrer ay entreprise

à la plateforme d'investissement zone sud de nous avons jox nous donc euh, Bintou Diagne Ndaw euh, coronatrice des plateformes de l'investissement au sein de l'APIX Bintou euh, Diagne Ndaw madame Ndaw sûrement nous mais pour nga nous li nga techniques aspect technique mission nga démarrer si euh, merci encore pour l'invitation si <laughs> ci invitation bi ci dalal bi comme on dit euh, mobile comme euh, activité bu def la dañuy service proximité lañ wax ba gratuit

APIX a déjà cinq bureaux régionaux Il y cinq bureaux deux yi dañu bureaux régionaux et ci plateforme Les euh, bureaux régionaux et ci plateformes biñ ci plateforme pilote mhm. muy bu bu opérationnel. ci mhm. plateforme yi bu Saint-Louis trois régions Saint-Louis lay lay couvrir ak euh, Matam euh, ak ak Louga. Mhm. bobu mo nek plateforme pilote bi ñu pare euh, jël plateforme musique Ziguinchor bi muy sud bi jël ñetti région sud yi ñu paré def benen plateforme bo xamné centre lañ ko def centre ouest muy mu nekk Saly. Mhm. Euh, ñu am trois bureaux régionaux bu Kaolack bu Touba ak bu Tambacounda euh di wax ni ko aussi am nañ deux plateformes yo xamné ñu ngi nek en cours muy bu centre bi. Euh, ak ak ak bu es bi bu Kaolack ak Kédougou nga xam day couvrir toujours les trois régions Kédougou Tamba pour S mhm. Kaolack euh, Kaffrine ak Fatick pour euh, centre bi mhm. donc mi ngi noonu loolu plateforme li nga xam ne moom lañ ki léegi nag guichet mobile bi nga xam ne moom la ñuy def comme ni ko sama ñaari nattangooy waxe mhm. mooy maanaam épargne kiyal leen do jéego yi daal maanaam ñu yombalal leen ko fekk leen ci waa baral ko fekk leen ci seen seen seen dëkk mhm. ba pare def benn guichet boo xam ni partenaire yëpp nga fay fekk mu nekk mhm. benn dispositif boo xam da ngay da jóge kii dem si kii jóge ci kii dem si kii te lu gaaw lay doon te lu gaaw mhm. te soxlawuñ loolu sooy ñëw sa photocopie rek lañ soxla ñi nga xam ne duñ bëgg a def entreprise individuelle ak li nga bëgg a créer te waaw léegi soo ñëwee am na suñuy euh, euh, experts yoo xam ne loolu la ñuy danañ la laaj lan mooy say projet ci lan nga bëgg a yëngu. am mhm. saa ñoom ñu man la diversifier waxal la activité yi nga xam ni mhm. ñoom danañ ko mën a mentionner parce que normalement sooy def activité dafa war a ne sa de commerce. pour boo mënee di soumissionner boo bëggee ay marché ay affaire mhm. ñu xam ne activité bii kan mi ngi ci sa registre donc suñuy ndaw yooyu ñu ngi fa ñoom ñoo lay laaj lan mooy sa projet ci lan nga bëgg yëngu muy entreprise individuelle ñu wax la yan activité ngay def Mm. muy entre muy GIE aussi parce que da nga gis ño xamni dañuy bëgg def lu mbolo mm. ñaar wala ñett muy un projet collectif mm. ñoñu aussi dañ leen di conseil ñu met ñu defar GIE mm-hmm. GIE nak bokay def da fay am ay ay statut procès verbal parce que personne morale am règlement intérieur document yooyu modèle yi yoré nañ ko c'est gratuit mi ngi fofu bu ku ci comme si neex aussi à partir de tay man nga ñëw plateforme sud di nga am les document nga constituer ko demain matin nga ñëw quartier Escale la nekk. Mhm. Ah, ancienne mairie ancienne mairie bi à côté à côté waaw donc foofu la foofu la plateforme sud bi nekk ku mu ku mu koo xam ne tamit euh, danga am jafe-jafe pour euh, maanaam euh, waaw defal renseigner kooku yooyu. am nañ suñuy ndaw yoo xam ne def nañ benn bureau boo xam ne pour loolu rek constitution GIE la mhm. soo ñëwee ak sa photocopie minimum nag c'est deux personnes parce que benn nit mën nga recevoir genn mu ne la benn nit la mais dama bëgg taxawal GIE GIE benn nit amul mais minimum deux personnes sax soo ñëwee ni dama bëgg a def GIE. Mhm. yor seen photocopie carte d'identité soo ñëwee ñu wutal la ñu wutal la casier judiciaire pour président bi après nga pare ñu yóbbu la ci bureau constitution bi nga toog wax ni nga bëggee sa bureau noo bëgg a taxawalee sa sa GIE ndaw yi nekk foofu ñu ñu jàppale la nga taxawal mhm. GIE bi. Mhm. boo defee formulaire yi signé def yëpp ñu wax la orienté la wax la fi nga war a dem. wut sa résidence wut casier judiciaire après ñu wax la fi ngay dem pour déposer dossier bi soo déposé euh, le matin bi balay l'après-midi nga jot sa dossier même dia aussi ñuy wax ni ko ñu am nañ euh, partenaires yi ma cité leen rek pour ma kii la ndax DGID euh, dina fa nekk greffe bi dina fa nekk mhm. pour les matriculations, bi mhm. la ànd nañ aussi ak ANSD pour NINEA numéro d'identification nationale des entreprises associations yi donc nin euh, ANSD mu ngi fa OAP yi aussi mi ngi fa pour di protéger nos commerciaux yi maanaam ñi nga xam mm-hmm. dañu bëgg a def tour dañu bëgg def tour ci seen entreprise mm-hmm. donc tour yooyu dañ ko war a protéger mm-hmm. donc kenn jaaraat ci tour yooyu waaw kenn du kenn du jaar su fekkee tour boobu tam existe na dinañ la wax ni tour bi existe na nga changé nga xam noo koy changé donc OAP yi aussi loolu moo fay seen kii ñu ànd ak trade point aussi nga xam ne carte yi carte commerçant carte import export da ngay ñëw da nga ko bëgg photo yi bu fekkee da nga da nga bëgg amaale en même temps les les les les cartes. Mhm. dañ lay conseillé boo indee sa photocopie carte d'identité waale si deux photos. une fois nga am sa risque de commun am sa NINEA ñu oriente le bureau bi nga xam ni foofu la waa Trade Point ne nga dem boo buggee am sa carte commerçant nga am carte commerçant boo buggee am carte import export nga am carte import export. Mhm. là c'est pour ñuy def commerce spécifiquement. pour waaw waaw c'est facultatif soo ko bëggee du du mhm. obligation maanaam mhm. soo fekkee ne da nga ko yittewoo. ñoom mën nañ la si jàppale nga am carte yi waaw waaw carte commerçant import daal commerçant boo xam ne même boo amoon sa de commerce ba pare ak sa nina yaa aussi mën nga soxla mën nga ñëw complété ko ak kii waaw ñu defaral la bu leen fàtte carte yi nag soo leen amee ay carte bu leen fàtte soo leen amee ay registre de commerce ngeen bëgg am lu si des comme ni ñu koy waxee nii donc da ngeen di gànnaayu seen registre de commerce ngeen daal di ñëw mm. eh, fekkee li nga xam ne loolu mooy eh, donc activité bi bi nga xam ne suba lay d'or uh, si uh, bureau APIX Fisi uh, si Ziguinchor mooy bureau bu rafet bu bi nekk weti ancienne mairie bu Ziguinchor weti weti cadastre su leen ñëwee rek di ngeen fa fekk justement ñi nga wa ne ñoom wa waa APIX ak seen i collaborateurs yi nga xam ne ñoom ñooy leen di defal li nga xam ne ñu jox la kaddu ji Papa Amar donc nga addu si wa wa buona waaw bëggoon mm-hmm. Khalil bëggoon naa aussi rappeler ne suba ci bëcëk bi ndeysaan suñu défé cérémonie officielle bi pare dinañ am ben panel panel manam ben benn pinch, mhm. boo xam ne dañu bëgg waxtaan ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ci lo xamné mom lañuy doxal liggéey bi manam mhm. naka lañuy taralé euh gox bi euh, gox gox bi mhm. le territoire Casamance ba investisseur yi ñeme mën a loolu am na solo. am na solo. mais te loolu bëgg naa ñu si ci waxtaan agropole teew. Mhm. ARD teew. APEX teew ak service privé. Mhm. Euh, euh, secteur privé. secteur privé bi comme ça ñu waxtaan ci. Mhm. ñu génne ay bunt euh, ART defoon na document bu extraordinaire. sur l'acceptabilité territoriale de la Casamance. il parle des produits du label. et tout ce qui a été fait par les trois ARD régions. donc loolu dinañu intéresse trop Bintu lii mu ma naan ma carte de dialogue parce que Bintu quand même mm-hmm. Euh, mm-hmm. initiatrice la si carte de dialogue en zone nord mm-hmm. commencer na ci am résultat loolu la bëgg dupliquer fi manam indi wat ko fii carte de dialogue mooy pencho pencho gox bi la moy problème investisseur lan lay daj ñoy ñëwee est-ce que état ngi bay xel ne infrastructure war na dox est-ce que camion yi jaar fi di jëm camp di jëli produit Casamance Sodaca yeeg yooyu est-ce que état war na defar tali yu baax yoo xam ne war na ko. war na ko parce que tali bi mi ngi boole. c'est le seul cadre de dialogue. Mhm. c'est l'environnement des affaires. Mhm. pour jàngal tuuti ñi ñuy déglu l'environnement des affaires mooy cadre législatif ak économique bi nga xam ne. Mhm. moom moo lu wër euh, koom-koom bi. mais le climat des affaires yëg-yëg la xam nga tey su ma jógee Cap bëgg a investir bi ñëw Ziguinchor wàcc avion bi tali bi daan déjà am na lu muy yàq si sama perception réew mi. surtout. am na loo xam ne ñoom ko wax ci rajo sax démb. Mhm. mais naa ko naa jéem wax ko. Mhm. bi ñu wàccee aéroport Cap Skirring démb dafa dafa am xet bu ñu dugg comme ci ñu ñu lu ñu weer ay ay ay ay ay ay ay jën ay jën. Mhm. loolu c'est pas normal et ça c'est le climat des Et ça, les responsables de l'aéroport devraient pouvoir prendre des dispositions par rapport à ça. parce que l'aéroport est à côté un peu. Oui, c'est le point de, de, de, la région. Mmh. Oui. Alors, ah, donc tu vois. Mhm. Mais hier, il y, a quelque chose qui nous a accueillis et qui semblait quand même ne pas être normal par rapport à ça. Mhm. Bon, c'est une manière de dire que nous aussi, on pose des problèmes. Mhm. Voilà. On n'est toujours pas là pour dire euh, on est ah, pour. <laughs> juste par rapport à les Sophie Safia Don Wassang pour euh, formalité parce que ñu ngi wax création d'entreprise mais formalité administrative APIS da koy gérer maanaam comme li nga fi waxoon à part les cartes muy ay agrément spécialisés yi nga soxla ci secteur bi ay secteur transport bu fekkee da nga soxla ay permis bu fekkee da nga soxla autorisation. licence waaw licence yooyu yëpp dañoo am benn benn benn benn kii boo xam ne centre waaw centre de facilitation des procédures administratives. donc même ñi nga xam ne ñoo nekk au niveau de la région su euh, zone nord to zone sud. Euh, bu ñu amee tey par exemple benn dossier mën nañ ko jaaree ci euh, bureau euh, plateforme bi. Mhm. plateforme boobu noonu dina nekk service courrier dinañ jël en charge transfert bi. Mhm. dinañ jël également service rendez-vous à partir de foofu sama collègue yi koy réceptionné ñoom dinañ def le nécessaire. Mhm. su dossier bi paree ñu ñu ñu jaarelawaat ko fii mu jaaroon pour ñëwaat sa Ziguinchor. waa Ziguinchor jox la dossier bi. donc loolu aussi bëggoon naa ko si kii waxaale aussi ak suñu partenariat bi ñu am ak waa euh, Sénégal numérique aussi. Mm, ok te à part waa Sédum euh, Sénégal service. waaw mooy espace Sénégal service bi Sénégal numérique donc euh, pour bureau yi à part bureau yi ñu wax ak plateforme yi. que bëgg nañ ci quarante 46 départements yi nga xam ni Sénégal numérique am nañ fa ay ay espace ñu am fa benn point focal ci ci ci kii yooyu au moins kooku dina mën di diffuser di joxe information si parce que dañuy liggéey ak ñoom mais des fois da ngay gis ni que euh, dañuy réceptionner dossier ñëw te duñu kii donc c'est bu ñu amoon tey benn koo xam ne daf ñu fay toogal dinañu permettre tey bala ñu ñuy acheminer dossier bi di ko envoyer pour ñu koy defar ñoom dinañ xam exactement constitution bi ak yooyu. Mm-hmm. donc loolu aussi APIX signé na convention ak ñoom donc euh, voilà loolu aussi la bëggoon préciser ñu ngi ciy liggéey daal jërëjëf voilà donc euh, am question sur la gratuité. voilà di ngeen di ngeen di borlon oui xam nga li ñuy def nii mooy teasing c'est-à-dire ñu ngi mm. cokkaas gars yi gars yi di ñu xaar pour ñu bañ a dem. Mm. loolu mooy teasing mais bon en fait jàmm rek la quoi ça dafa seetlu ne euh, en général dañ doon jël temps pour def ce travail de communication là. Mm. pour que mobiliser acteurs yi. mais tey ñu baral et puis ñëw signer convention bi ak sa Casa Sport. elan bi ñëw ñu né bon suba inshallah té téeméer yi njëkk pour ñëw créer ya, entreprise individuelle da jënd diko may duñu fay APIX moy jël en charge. Nah. les 100 premiers les 100 premiers machallah donc sommes euh, dans le cadre de la démarche RSE RSE les 100 premiers li ngeen nar a joxe les 10 GIE premiers aussi. les 10 GIE premiers doo leen des dara. donc ils leen ñëw ñaata la ñuy fay suñu naree C'est ce su fekkee exactement parce que nous avons communiqué un peu sur les tarifs. Si vous faites, par exemple une entreprise individuelle vous ngay mettre en place. vous devez faire 14 000 francs vous fekkee mhm. mhm. utiliser un nom commercial. surtout vous bàyyi maintenant, 10 000 et deux timbres 2 000. Si vous utilisez un nom commercial. Nous avons protégé à 10 000 francs donc 24 000. 24 000. léegi su une entreprise jëye 54 000. 54 000 avons enregistrer les statuts PV et le règlement à 20 000 francs. Nous mhm. avons protégé les tour bi utilisé à 20 000 francs. avons fait une immatriculation bi greffe 10 000 francs et deux timbres de 2 000. 54 000. donc 10 premiers GIE c'est gratuit Nous avons en charge les 54 000. Donc c'est plus que 54 000 parce qu'il y aura une résidence euh, à, 1400, c'est ce qu'on dit. c'est 1400, oui. 1400 et 500 francs le casier judiciaire. Mm-hmm. Donc, c'est 55 000 et quelques. Donc, tout ça, on va prendre ça pour les 10 premiers GI. ok dit que nous le le le job les 10 premiers euh, euh, donc. Mm-hmm j'ai euh, créé sur euh, les essais individuels les 100 premières lañuy donc euh, jóg leen teel jog jóg defran bi fekk ci APIX pour cette activité bi ñu faire le tour rapidement parce que temps bi daf ñu mhm. cette fois-ci dañuy commencer toujours par l'homme après on termine avec les dames Amar mais un message d'espoir c'est-à-dire euh, amna yakarne Sénégal dafa nek une trajectoire euh, aujourd'hui ñun bi ñu daan promotion de l'investissement investissement da nga naan Sénégal ci carte du monde ñu naan le West Africa. -hmm. léegi ñu dem coupe du monde 2002 ñu naan ñu El Hadj Diouf. Sénégal Diouf yi. Mm-hmm. léegi ñu naan Sadio Mané. doomu mm-hmm. doomu réew mi la doomu gox bi la. Mm-hmm. mais tay Sénégal day dem ci pétrole gaz. donc comme comme bi war na mën a gën a ci industrialisation c'est-à-dire lépp lu ñu fiy béy. ñu transformé ko fii. surtout et c'est ça le défi.

soo amee kattan transformé ñu ne la dugal si agropole bi. Mhm. léegi mu pare. ça a mis 7 milliards pour la mise en place de l'agropole. au niveau de l'ADN. Et ça va se dupliquer dans les autres régions. Effectivement. Comme des bases. Mais aujourd'hui, c'est APIS nekk euh, le portail d'entrée di segg di orienter pour que région bi tey lépp fu ñu koy xaar pour mu nekk répondre présent au rendez-vous. nee naa aussi Casasport. Mhm. Casasport mais aujourd'hui mais. J'ai lu un document il y a quelques années où les gens se posaient quel est le secret de la région sud du Sénégal qui produit des athlètes et des footballeurs de qualité, comme le Brésil. -hmm. Mais la de, c'est un produit de la Casamance. -hmm. c'est un la Casamance. Nicolas Jackson. Nicolas Jackson. Donc voilà des gens aujourd'hui qui sont les agents du marketing territorial mhm. de la Casamance. Nous, sommes là pour lier la Casamance. doomu Casamance rek ñoo war a saisir cette benn xarit doon na wax naan euh, wërsëg du du fanaan every opportunity has a shelf life. doo ko doo doo comme produit la dafa am euh, xéewal dafa am durée de vie. Mm-hmm. donc suba ak al euh, allah altine àllarba. Mm-hmm. opportunité la pour que doomu gox bi. Mhm. Mhm. Mhm. c'est la première étape. C'est la première étape justement des opportunités que nous apporte la PIX. Donc, euh, sous vous ngeen fexe une euh, teew si euh, activité bi Safietou Diouf. chargé d'investissement. pour mot de clôture. merci merci beaucoup Khalil mm, occasion de ñu jox pour ñu ce que nous ak askanu Casamance surtout. Euh, le mot de collectif bi rek moy moy sonj nit ñi diggante suba ak ginnaaw suba ñu bari ñëw pour mën am ci euh, avantage opportunité bu ñu mettre à leur disposition moy création en un seul lieu benn place bi mhm. sa copie d'identité rek ngay indi ñu defal la registre de commerce defal la NINEA si gratuit gratuit bu fekkee bokk nga si 100 premières personnes yi mhm. ñi ngi ñaax ñëpp bu fekkee amuñu benn gant, ñu ñëw mhm. lii bu leen rawee nag apex va continuer à travailler ñu xam ne APIX mhm. léegi luy mooy rôlam ku fi mhm. ñëw aussi dina la jàppale en 48 heures nga am sa registre de commerce am sa NINEA bépp information boo soxla lu jëm ci sa activité boo ñëwee Apex, dina la jox information yu nga soxla pour mën a doxal beneen bi ci topp mooy ñun Casamance for waruñu ñee beneen dëkk

mané ne leen lu tax ñu ne ah, Dakar lañ koy jox mané ne du lolu ils sont formalisés. mané ko il faut pas ngeen yaakaar ne les textes wala marché public public yi dañ ko défar pour wa Dakar rek. Mhm. yéen li ngeen mën wa Dakar loolu lañ mën il faut ngeen dem vers l'information information. Mhm. y' a un portail où on publie les marchés publics. mané ko mhm. plateforme la pour ñëpp. defuñu ko rek pour ñu né wa Dakar rek ñu ci wara dugg. da ngeen dem vers l'information tay Dakar lu ma am la APIX tech Casamance une mm-hmm. plateforme. Mm-hmm. def ko ci une région qui a équité territoriale. dans le cadre de la décentralisation mm-hmm. la proximité politique Dakar. li ñu bëgg nous. ci. nous la Casamance am ngeen APIX fii lépp lu ngeen pour activité développer cette activité nous ma encore ñaari fan ngeen pour am chance am commerce commerce Nous Ninéa ñu carte import export ak carte commerçante aussi ñu ñëw ñu jàppale leen te xam ne APEX mi ngi fii di wéy continuellement képp ku fi am jafe-jafe bu événement yi passé boo ñëwee aussi ñu jàppale la jërëjëf merci beaucoup jërëjëf en tout cas donc pour précision yi euh, madame Bintou Diagne Ndao <laughs> waaw man de li may tëjee mooy bon di comme ni ko euh, Safiatou waxee di ñaax nit ñi rek di leen wax ni leen wala euh ñi ngi fi yeen lañ fi nekkal li tamit euh, étape bi njëkk bi rek la mais am na yeneen étape parce que boo waxee formalisation gars yi dañu ah formalisation mais xam nga formalisation mooy jiitu lépp parce que chaque fois loolu gars yi bu ñu waxee yow financement rek lañuy wax mais dinañ ñëwaat ak neneen ak bu boobaa dispositif yi nga xam ne ñooy yore financement yi la ñuy àndal donc ku si profitowul si étape bi ni mhm. am sa document nga té benen yoon bu ñu ñëwee ñi nga xamné déjà ñom ñoo formalisé wu ñooñu rek la mëna accompagner pour des financements may wax ni kon nak occasion la euh, ngeen bañ ko raté ñi ngi fi. bu ñu tam deux jours yi comme ni ko Safi waxé bureau bi tamit mi ngi fi lu ngeen soxla man ngeen ñëw euh, ñu topato leen ci délai bu gàtt té suñuy prestation aussi c'est gratuit ñu di ko encore service de proximité gratuit <laughs> service de proximité gratuite di leen jaajëfal comme di Pape Amar merci euh, Safitou Diouf ak euh, Bintou Diagne Ndaw Amadi Khalilou Diémé moo leen doon gunge si émission bi ànd ak Xavier Mendy bi ñëwoon si xarale xarale bi ak euh, si digital bi di leen jaajëfal leen doon déglu émission bi di leen jox dig très prochainement au revoir. merci. merci Khalilou. Allez, merci beaucoup.